L'auditeur au programme du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, Rakia Arimi et Samira Rouafi. Alors, Akia, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Samira, et toi Oui, ça va, Dieu merci. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Akia, comme d'habitude, nous débuterons cette émission avec le Flash Info qui nous sera présenté par Nafisa Sirfo. Et comme invité, nous recevons Kabir Omoro alias Kabiru Kebi. Il est artiste, chanteur et comédien en langue Hausa. Avec lui, nous allons parler de la chanson et aussi de théâtre. Exactement, Samira, dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène il aura également la, rubrique hebdo consacrée à l'environnement, les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page du sport. L'édition est assurée par Khadija Isaka et à l'aide technique, nous avons Seine Isaka. On débute cette émission avec le flash d'information avec Nafissa de Bonjour Nafissa. Bonjour Akia. bonjour Samira. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Chani, a mis fin hier 22 août 2023 aux fonctions du professeur Moussa Ag cadre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il s'agit des fonctions de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de président du conseil d'administration de l'Office du baccalauréat, des équivalences des examens et de concours du supérieur au BEXA exercé cumulativement par le professeur Moussa Agaria, indique le décret. Le ministre du Commerce a, rencontré hier les opérateurs économiques et les syndicats des commerçants à Niamey. Il s'agissait pour le ministre Seydou Asman de soulever les questions relatives à l'acheminement des marchandises et la mise au point de mécanismes de fixation des prix des denrées de première nécessité ainsi que du suivi et du contrôle de ces derniers. Au cours des échanges, les opérateurs économiques ont souhaité qu'on diversifie les corridors et aussi sécuriser les routes par lesquelles le Niger peut s'appuyer pour effectuer effectivement faire entrer des marchandises. Enfin, le ministre d'État de la Défense, le général Salif Moudi, a présidé hier mardi 22 août la cérémonie de fin de formation de la 18e promotion de l'école de formation d'officiers des forces armées nigériennes et Fofan dans les locaux de la dite école. La promotion dénommée Mamoudou Tanja compte 195 Nigériens et 12 stagiaires issus des pays comme le Cameroun, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Togo. La promotion compte

alhamdulillah sai godiya mun gode Allah to madalla amma kafin mu bawa bakon namu damar tufa albarkacin bakin shi za mu saurari ɗaya daga cikin waƙoƙin shi mai suna dama a ci Dawa wannan waka, me ya baka ƙwarin gwiwa rubuta ta wannan wakan da muke sauraro so <laughs> ita wannan waƙa ko in ce ita waƙa da ke ganin ta wani abu ne da take zuwa mutum ba tare da ya shirya ba ma zance saboda gadon mawaƙi idan yana yin waka to ko tahiya kake yi ko kwance kake ko ka tashi da kwana to abin zai iya zuwa maka a surprise mm-hmm. ba tare da ka sani ba ma to kamar haka ne wakar dama a ce ta zo mini a surprise kamar dole duk inda mawaki yake yana cikin wake-wake ne misali ina tafiya ina dan dama a ce dama a ce wane ne kawai sai abin ya zo maka kuma sai karin waka ya zo maka sai ka je ka zauna kuma sai ka je ka gyara mm. dama yawanci duka haka ake yi ko kuma wani lokaci kana aiki ne da wasu kalamai da suke fitowa daga wasu mutane misali wani yana cewa da kai nake ko kuma wai menene zai faru to mawaƙi yana amfani da irin abubuwan sai kirkira waƙa da su hmm. eh. ke bi da mi kafi kamar akan mi kafi yin waƙa soyayya ko kuma zamantakewa eh to a gaskiya ni yawancin waƙoƙina na fi su ne akan soyayya akan soyayya eh. C'était là le titre d'Ama de l'artiste Kabiru Kebi. C'est le moment pour nous euh, de le retrouver car il est avec nous dans ce studio, comme vous l'avez constaté. To Kebi, mon mun 2015 euh, ka fara waka, wato 2015. Eh, Vala, to sanin yasa ka shiga waka ne a wannan eh a gaskiya na shiga waka ne ta lokacin da ni kaina ban mai tsammani ba. in ban manta ina ɗanyi ne ina ɗan rera haka lokacin ban ma je studio ba to kuma ina tare da abokai wanda su suna yin waƙar suka yi ta bani shawara wani kana da murya ya kamata ka ɗan je ka jaraba an yi wannan kusan ina ga kafin ma dai mulkin zama haka na kiya ni ce musu gaskiya ni ba zan iya ba ai ba ma kawai ni nuna ma ba zan iya yin waƙar ba ma kawai mm. to sai aka yi katari wata ran muna nan wajen wani biki na aboki haka muna ana tare ana wasa da dariya dai kowa dai taso a kai na yake magana wane ya kamata ka je ka jaraba saboda a lokacin yayi daidai da shi abokina ya buɗe studio wani abokina da ake cewa Mustapha Sabo ya daidai da ya buɗe studio a lokacin muna nan ana ta wasa wasan ce kai ran nan dai suka abun gana suka matsa mini ce to daga ranar da zan gwada mm-hmm. muka je a studio ya yi daidai da lokacin Hausa MZ yana nan shine yake yin kiɗan ina zuwa na ba da karin wakar karin waƙar da na fara bada ne diya ta gari wadda ita ce waƙata ta farko da na fara yi da ba da karinta aka yi to abin da ma zai baki mamaki daga lokacin da ni waƙa ga duk wanda zai zo ya saurara sai ya dinga kawo misali na sai ya ce wannan mawaƙi ko mawaƙi ne kaza sai ya dinga ba da misali da irin wasu muhimman mawaƙa haka saboda yanayin murya an samu canjin murya mm, kamar ba ni bane mm-hmm. duk wanda ya zo ba zai ce ma ni bane saboda zai mamakin yadda ni waƙar kuma yadda murya ta bada yadda ake bukata kuma farawar kenan kuma fara shine na farko mm-hmm. <laughs> to wannan shine dalilin shiga na waka kenan to muna yin sanin wani irin alhairai ka samu sanadiyar waka E eh to alkhairai suna da yawa saboda kullum cikin alkhairan muke saboda idan har kana da masoya to ina ga wannan ma babban alkhairi ne saboda duk da bai da musu ina ga to akwai matsala kenan <laughs> kenan ka eh, samu kaman fita cikin kasashen waje da sanadiyar ita waƙoƙin eh to ban je kasashen waje ba na dai je a cikin yankunan mu dai na cikin ƙasar Nijar da mm. irin su Maradi Zandar haka irin su Tawa haka wannan dai yankin da mun je amma kasashen waje muna jiran lokaci dai me dalili ko baka sha'awar hita ne eh to kin san kamar yadda nace miki muna jira lokaci idan lokacin yi insha Allah sake ga kuma an fita to ke bishin waƙoƙin ka suna samun karbuwa cikin ƙasa eh suna samun karbuwa tunda kin san komai aka ce da sanne sanne yaro yake girma kenan ba komai bane yake yiwa gaba daya mm-hmm. kuma eh, ku ne mutane na farko masu ba mu gudunmuwa gidajen rediyo da gidan tele su ne ku ne mutanen da kuke ba mu gudunmuwa ta yadda za a san waƙoƙinmu ko a san mu ta wannan hanyoyin ne mhm. to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa yawanci waƙoƙinmu suke ma yawo yanzu sosai mhm. kebi za mu dawo gare ka insha Allah kahin mu ci gaba da hirar mu za mu saurari wannan wakar mai suna asin shila eh, ma'ana kwana biyu ta bambino da kuma devil Sin La La Je veux tout ça là pour effacer mes peines de cœur Le ciel me fait des signes C'est toujours mal que je pense à toi Et maman me dit de pas m'inquiéter, t'es bien là-bas Que t'es bien là-bas, que tu me vois de là où t'es le faire, j'aurais remonté en arrière. Et je t'aurais dit je t'aime pour que tu saches que je suis toujours le même. On a passé des moments qui me hantent dans mes rêves. Et je prie pour ta chaque nuit pour que tu aies le paradis. Et dans la nuit j'ai mal, du repos encore à nous deux. Je m'éduquais là-bas, c'est mieux. t'appeler la jalousie des hommes, des souvenirs. On a vécu et ça restera dans mon cœur. La vie c'est un combat et tous les jours on fait des choix. Faut pas penser baisser les bras, si Dieu le veut, tout ira bien. Des souvenirs qui font une vie, oublie pas le passé. Le monde, je sais plus où ça va. Mais aujourd'hui, si je le fais, c'est pour te montrer que moi je t'aime. Yana Né de la douleur du deuil pour les deux artistes qui ont été frappés par la mort de leurs proches. Un ami pour l'un et un frère pour l'autre. Bambino et Deville chantent les aléas de la vie parce que celle-là, elle est plus amère comme la mort, si je peux le dire ainsi. La disparition des gens qu'on aime et en qui l'on tient énormément. Les deux talentueux artistes chantent l'espoir retrouvé dans la vie après les épreuves douloureuses ils appellent à la résilience de toutes les personnes qui sont éprouvées euh, par la vie euh, à cause de ces faits euh, subis. Pour ce dont ils n'ont pas eu le choix que de se laisser aller. Samira, il salue et encourage tous ceux qui se battent au quotidien malgré les difficultés de la vie en donnant le meilleur d'eux pour honorer leur communauté et famille, mais surtout pour donner à la vie, à la charme de l'existence, de la fraternité humaine et de l'espoir possible d'une vie toujours aussi généreuse pour chacun de nous relève la solidarité humaine dans les bons comme les mauvais moments. Avec Chélin, Bambino, l'international prend la main du jeune Deville à deux. Ces deux artistes appellent à se réinventer un chemin pour nos propres choix plutôt que ce que la vie nous impose. retour au studio en espérant que ce titre vous a plu et c'est le moment pour nous d'entamer la deuxième partie de cet échange du jour avec Kabiru Kebi. To Kebi Munason, son mun san mi ake cewa mun san cewa eh, kamar ana azamuriya eh, kana azamuriya wajen wasannin kwaikwayo a à ko a à hakan ga kamar ya kake yi kana hada waka da kuma wannan rayuwa taka ta dan wasan kwaikwayo. Eto, kisan shi ita rayuwa da ke ganin ta tana son tsari dama kuma komai kana tsara shi ne yadda ya kamata kuma kamar da ke ga ina waka kuma ina harka wasan kwaikwayo to kuma muna yi hafilin ma kuma in ya zo shi ma ana yi kamar duk abin da ya zo in dai abin da ya shafi na artist ne duka ina taba saboda aiki ne duka aiki dai ne mm-hmm. eh. shin akwai wasu kalubale da kake fuskanta a cikin ayyukanka? eto eh kalubale dama a kowace sana'a ba za a ce ba za a rasa kalubale ba to amma shi kalubale idan ka ce za ka dibe shi to ina ga aikin ma ba za ka yi ba mm-hmm. kenan muna ta ganin kalubale kala-kala amma kuma muna ta haƙuri a hakan saboda abin da muka riga muka saka mu yawa tun da mun saka mu dole za mu yi kire haka ne mm. to ina son sani akwai wata sana'a da kake yi a gefe bancin koko waka ce kawai kake yi da ita kake rayuwa ina wata sana'a Mm-hmm. ina harka dinki mm-hmm. bayan ina harka waƙa kuma na san zaki ce abubuwan da na <laughs> tara sun yawa A <laughs> ah. yawa amma <laughs> ka sun yawa haka ake so ga matashi eh. mm. to madalla to shi akwai wani sako da agare ka da kake son ka mika ga masoyanka masu sauraron mu da duk sauran matasa dai eh to sakonin suna da yawa sai dai dan takaita inda ya kamata to madalla takaita to to sakona na farko shine eh har yau goyon bayan nan da muke bukata ga mawaka saboda mawakin baya da goyon eh, bai da goyon bayan mutane ta ina ga sai ga kullum yana ta yi ne bai kai labari ko ba gaskiya saboda a da ba a sauraron mu me yanzu ana sauraron mu a da ba a kallon mu yanzu ana kallon mu to me ya kawo haka jajircewan mu ne yasa har muka kai wannan lokacin to kenan kira na mu muna ƙara su mai neman gudunmuwa ga jama'a su kara ba mu goyon baya ko da mun yi abin idan sun ji kuskure to su kira mu kuma za mu gyara saboda dan adam duka mai kuskure ne kenan mu koyo ne kullum cikin koyo ne muke kenan muna son kasan mu ta ci gaba saboda muna kallo wasu kasashen suna yi sun ci gaba kenan mu ma muna so kasan mu ta ci gaba kenan mu kullum fatan mu kenan muna fatan nasara ne ko da yaushe to madalla kebi mun gode da ka amsa wannan goron eh, gayyata na studio kalangu ka zo ka amsa ga duka wannan tambayoyin da muka maka muna maka fatan alkhairi a nan za mu ce maka bye bye <laughs> on fait une petite pause et on revient juste après le teaser Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Samy, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo qui parle de l'environnement et la rubrique hebdomadaire de ce mercredi 23 août nous conduit dans la région des Zender pour parler des ennemis des culture. Oui, en effet, la direction départementale de l'agriculture de Gouré a annoncé la semaine dernière l'apparition des sauteriaux euh, dans la bande nord-est et celle du côté sud-est, notamment dans les communes rurales de Kélé et de Gamkazoué. Ibrahim Abdou nous en dit plus sur la présence de ces ennemis de culture. Au moment où l'espoir régnait, avec les retours attendus des pluies, ce sont des nids de sauterelles qui se sont abattus sur le nord du département de Gouré, dans les communes de Kélé et Gamou, région des Andes. Cette apparition de criquets inquiète les agriculteurs sur les rendements de leur production. Ils demandent aux autorités locales de prendre des mesures pour lutter contre les ennemis de culture qui envahissent leurs champs. kan kelle kan kasar gamu duka wallahi abin ya sha mana kai banna suke yanda ya kamata yi kiran da muke ma gwamnati kenan ta ƙara kokari ta taimakawa talakawa ku da kun kun gani wannan sabon al'amarin da muna ji labari dai daga gusum akwai fara ni na je gona sai na ganta kwatsam bisa hatsi bisa kan hatsin kawai ganye ne take ci to in ya kasance tana cin ganyen wannan to hatsin ma ba zai samu da na saboda duk albarkacin gona da ake samu na hatsi to daga amfanin daga ganye ne yake wannan abin kuma mu ya ba mu tsoro mun rasa ma na zamu abu ne yanda gashi nan kawai ya bazu cikin shaya akwai shi bisa kan hatsi akwai shi to da can da dai akwai magani da ake kawa in abin ya bayyana kuma babban matsalar mu da babu malamin gona cikakken malamin gona akwai wanda kambacin shi ne amma babu shi to an ce mana akwai maganin a guri to kuma wannan yaunin ya rataya akan meri a da da muka sani ta je ta ɗauko magani ta kawo kuma masu kai wanda abin ya shafa sai su je a su adadin abin da ya kamata a ba su kuma su nemi brigadier sai sa musa gona kaji gaskiya ya kamata a zabura saboda kun ga yanayin ƙasa yadda muka shiga abinci kwada kuma mu muna ga kaman abin daga nan mu ko da tsada ya bayyana muna iya samu na amfanin gonan mu ci kenan in ya kasance wannan hwarar ta bi ta lalata amfanin kaga abin akwai matsala saboda Allah wake ya hwarin nana hatsi ya kai to in babu ganye babu hatsi mamman haru director departmental de l'agriculture par interim confirme la tag des sauterelles dans les localités il lance un appel à la mairie afin de trouver des solutions pour sauver la présente campagne devenue hypothétique dans le département de Gouré. Il y a des attaques de sautoriaux en vrac, surtout sur les graminées, les cultures euh, du mil. Ça un incident sur le pâturage encore. Il y a un envahissement total de la zone sud, un peu de la zone euh, nord, comme là-bas c'est le maïs. Mais cette année, avec euh, l'arrivée tardive de, de pluie, et les gens ont profité pour semer le mil et ça a bien donné. Et encore, c'est ça qui est menacé par les sautoriaux. J'ai informé déjà la direction départementale. Et la direction a fait feedback, c'est-à-dire de à la mairie de deux débrouiller pour aller, au moins faire un geste pour aller chercher le produit à Zander. Comme c'est un produit très toxique et on ne donne pas à quiconque, c'est-à-dire un agriculteur qui ne connaît pas comment traiter son champ. L'utilisation de produits, on ne peut pas lui donner ça, parce que c'est très toxique. Par exemple, c'est au sens contraire du vent qu'on utilise ce produit. Prenons encore une petite pause, Samira, et avec les titres Zatao du regretté Moussa Poussi. jonga banya musa banya zatau gudal borai banyan amma baka rauka to da haraikate zatau ko koi dudura bonko na isi dono kana ga duru Donodin din gana gaka amma kwai kai ne da bere wayen dina ha man gado no jara amma ne turmi ya ci dau wai mun hun burono dono ma <laughs> kamar wawa ba wawa ba abanda argurje ye argurje misi koi gurje ni man dizata sillibawa dan fatuma kasar kafoni kalgudan gamkale wala gaaway sor kay gida buro ya samu ta gabiya yar mai komai wata lakala burkan na bere karganda kanye ka baba karganda ni bai ni zo si forun se ni noti joru bandado ai moti soroka bandado ka ai kananan dia Moussa Poussi, c'était un chanteur nigérien. Il a représenté le Niger à des festivals et autres concours durant plusieurs années jusqu'à sa mort, reprenant le rythme traditionnel il les adapte au son des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture, de son pays. Son but était de faire connaître sa musique et son pays à l'Occident. C'est en 1980 qu'il commence dans la musique avec le groupe Johnny Ali Mega. En 81, départ au Mali pour l'apprentissage de la guitare avec Douma Alvarka. En 1993, Moussa Poussi est élu meilleur artiste de l'année au Niger. Il reçoit un diplôme d'honneur au second Afri, Afrovision plutôt de 1995. La même année, il gagne le premier prix du concours de la radio nigérienne RN. En 1996, Moussa Poussi se voit décerner le troisième prix au concours national de la musique moderne nigérienne. L'artiste nous a quittés le 3 juin 2008 pour le voyage sans retour, mais a laissé son héritage à ses enfants qui, bien que certains ont pris un autre chemin, ils partagent toujours cet amour pour la musique qui les lie à leur père.

Daren gade zaya bumu Ai no kacin dipusi zaya Daren gado nu ganje zaya Ai mai gado nu ganje zaya gado nu zimmai zaya Ai mai gado nu zimmai zaya Zamirati soro kabanda da Ai kulon duwa duwa yanna Eh bawa eh Yeah. aura place à l'écho des régions de ce mercredi 23 août qui nous amène au cœur de la région de Dosso. Oui, Rekia, et ça parle de vente, celle d'articles divers de seconde main venant d'Europe en transitant par les ports de Cotonou ou de Lomé. Ils se revendent bien sûr sur des étals dans les rues de Dosso à des prix très abordables. Beaucoup de clients s'adonnent à cœur joie pour l'achat de ces articles. Voici le reportage d'Aussi Abdraman. Les articles divers de seconde main venant d'Europe commencent à s'imposer sur les marchés et dans les rues sur des étals à dosso. Sac à main pour hommes ou femmes, chaussures pour adultes et enfants et autres jouets, il est fréquent de voir les dossolets s'adonner à l'achat de ces articles de bonne qualité à des prix abordables. Abdoulaye Tankari, revendeur de ces articles, dit que ces objets leur viennent de la Belgique et il les vend bien. Le seul problème qu'il rencontre est lié aux frais de transport qui lui reviennent trop chers.

Et deux fois, je viens ici acheter des chaussures comme ce sont des marques de qualité. C'est vrai, on les appelle des Boston, mais moi, en vrai dire, euh, je les appelle des qualités parce que ce sont des chaussures qui sont bonnes et ils sont très durables aussi. je préfère aussi de venir ici acheter mes chaussures, si c'est basket ou bien chusa. En tout cas, moi, je suis tellement habitué à venir ici acheter des chaussures. À mon avis, vraiment, les chaussures sont tellement qualité. Cheibou Ali un acheteur de sacs de voyage apprécie le prix. La vulnérabilité pousse certains Nigériens à se tourner vers des marchés à bon prix. Voilà, c'était là le reportage d'Aussi Abdraman qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Bonjour Aussi. bonjour. Comment vous allez, Edosso euh, Je vais très bien, je vais très bien. Il a plu ce matin à Dosso, il fait beau temps à Dosso. Même ah, ici, nous avons un très beau temps, je vous assure. <laughs> Ah, c'est bien alors. Alors aussi, avec la fermeture des frontières, comment se passe ce commerce euh, des articles qui nous viennent de Lomé ou de Bénin En tout cas, euh, bien avant la fermeture de ces frontières, ce commerce d'articles divers euh, composé de chaussures, de sacs à main pour hommes ou femmes ou autres jouets pour enfants, et un marché en tout cas florissant. Euh, euh, il est très courant de voir euh, sur des étals dans les rues de Dosso, en tout cas les gens s'adonner à ce genre de commerce. Non seulement ce sont des objets de qualité, en tout cas qui n'ont rien à envier aux autres objets qu'on vend dans les grands magasins. Surtout que certains d'entre eux sont même euh, neufs. Ce sont des euh, objets soldés euh, qui n'ont jamais été portés, mais qui se trouvent effectivement comme étant des articles de seconde main dans ces états-là. la qualité et le prix abordable fait en sorte que une très grande partie de la population a compris que euh, c'est un marché vers lequel il faut se diriger. Oui, ah, aussi, mais est-ce que maintenant, avec la fermeture des frontières, ces articles arrivent à, à, Dosso Exactement, j'allais en venir euh, par rapport à la fermeture euh, des frontières. actuellement, rien ne rentre, rien ne filtre. Rien ne filtre en ce sens que, vous savez, c'est vrai, des dispositions sérieuses ont été prises des deux, du côté des deux frontières, en tout cas pour euh, empêcher toute transaction euh, euh, commerciale. n'empêche, il y a quelques incursions parce que nous sommes en Afrique où il y a des routes traditionnelles, en tout cas des routes par lesquelles les gens peuvent passer souvent frauduleusement, effectivement, faire entrer des articles cela ne manque pas, euh, mais quand même officiellement, c'est vrai que ces articles-là ne rentrent pas et surtout, euh, souvent, on constate même la rareté de certaines denrées euh, alimentaires telles que le maïs, l'igname. En tout cas, les produits qui nous viennent donc de la côte font crucialement défaut ici à Dosso. Alors, merci beaucoup aussi. Euh, on vous souhaite une très belle journée avec euh, le bouton qui est à Dosso, comme vous l'avez dit. Bye bye. Euh, merci, merci, bye bye. Et à vous de même. Merci, bye bye. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport à présent avec notre chroniqueur sportif euh, Soumana Amadou. Alors bonjour Soumana. Bonjour Soumana. Bonjour à toutes. Alors nous arrivons, euh, comme, comme on le dit, avec, euh, avec vous dans cette partie, nous voulons savoir le championnat du monde d'athlétisme qui se tient à Budapest en Hongrie et le Niger est représenté par un seul athlète. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Et eh oui, donc il s'agit d'abord de Sagiru Badamasi en catégorie de 100 mètres haies. Donc il a couru le dimanche 20 août. Malheureusement, il n'a pas franchi la phase éliminatoire. Donc pour plus de précision, écoutons l'agent-chef euh, Shafiou Ibrina. Il est le vice-président de la Fédération nigérienne d'athlétisme du championnat du monde commence par euh, les courses en série. Donc, c'est les qualifications pour aller en demi-finale. Il était dans la deuxième série. Il a eu quand même la série la plus solide au vu des temps et des performances des uns et des autres. Ils étaient neuf sur la ligne de départ. Les cinq premiers sont qualifiés. Et lui, Marzama, il a fini septième de justice. Son voyage avait été un peu chaotique parce qu'il fallait s'y rendre au Burkina Faso. Il devrait embarquer le 13. Il a raté malheureusement les vols. À son arrivée, l'avion était déjà parti. Il n'a pu arriver là-bas donc que le 17 la nuit pour quelqu'un qui compétissait le 20. Il a probablement défendu les couleurs. Il avait pris la, médaille d'argent au niveau de la francophonie, ce qui était la troisième médaille en tout de l'histoire de la francophonie pour l'athlétisme nigérien. Eh bien, donc, euh, nous terminons cette euh, partie sport euh, par le football. Les clubs nigériens engagés dans les compétitions africaines se préparent ainsi s Douane a rencontré un match amical hier à Niamey l'Ouragan, qui est le champion en titre de la région de Niamey. Le match s'est soldé par euh, un score de 6 buts à 0 en faveur de la Douane. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames. Merci beaucoup, Soumana, pour ce passeport. Après les nous allons découvrir le lieu de notre rubrique portrait du jour. Le théâtre est sa passion et entend se donner le moyen pour atteindre son objectif. Elle, c'est Samira Haruna Seydou de la troupe culturelle Foussaha de Maradi. Âgée de 24 ans, elle commence à se faire une petite place dans le domaine. Mohamed Moman est parti à sa rencontre pour son portrait. C'est en pleine répétition sur le podium à la Maison de la Culture de Maradi nous avons rencontré Samira Haruna Sedou. Visage juvénile, élancé, Samira Haruna Sedou se fait remarquer par la souplesse et la grâce qu'elle dégage. D'un père artiste, Samira se dit d'être fière d'être la seule de la famille à faire du théâtre comme son père. Je dirais que le théâtre, je l'ai hérité parce que même mon père a fait du théâtre. Il a dansé, il a aussi chanté sur tous le podium pour sensibiliser et divertir les spectateurs. J'avais 9 ans qu'elle était partie, mais j'ai trouvé ses tenues et certains instruments de musique qu'il utilisait. Au début, ma maman ne voulait pas parce que je fréquentais l'école, mais depuis que je suis devenue garante, elle a donné son accord. Elle déclare aimer danser, chanter et jouer des rôles pour faire passer des messages. C'est pour atteindre son but qu'elle a intégré le groupe Fusa'a de Hiro Mahaman Hashiru, plus connu sous le nom de Tando. Elle témoigne s'épanouir. Eh, en réalité, nous sensibilisons et éduquons à travers nos prestations qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie, de la vie en société au rapport entre parents et enfants, la salubrité de l'environnement et la propriété alimentaire. Nous portons dans les villages environnants pour faire ces prestations comme vers Nous avons été une fois à Kaidone et Kugamota pour sensibiliser la population. Et présentement, on vient de faire une répétition parce que nous avons un spectacle à Bien qu'elle n'ait que 8 mois de pratique au sein de ce groupe, Samira a commencé à devenir indispensable de par sa volonté de réussir. Pour son chef de groupe, Samira a de l'avenir. Je trouve Samira une très bonne comédienne. Rien que avant-hier, on a organisé les éliminatoires euh, pour la parenté à plaisanterie. Et hier, elle a passé, elle a montré de quoi elle est capable sur scène devant le public euh, euh, de Maradi, parce que c'est sa première sortie en public ici à Maradi. Samira, elle peut répondre, Inch'Allah, aux attentes des de Maradawa en matière de l'art. La jeune fille ne cache plus son ambition, celui de devenir une icône du théâtre au Niger. Profitant des expertises de la Maison de la Culture, elle pense réussir son pari. C'était là le portrait euh, de Mohamed Mammon euh, de, sur euh, la vie de la jeune Samira Haruna. C'est le moment pour nous d'attaquer notre dernière musique de la playlist d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, chers auditeurs, c'est l'anniversaire de la mort de l'artiste Al-Hajitaya. pour ce fait, nous avons choisi pour vous ce titre, Matin Mal. C'était là le titre Matamalan de feu Alhajitaya. Hein. Euh, C'est le moment pour nous d'attaquer notre loti euh, du jour et les femmes du studio Kelango vous proposent euh, comment rattraper euh, une sauce trop salée. Et eh oui, Samira, il existe des astuces pour corriger sa sauce. Alors, on découvre ensemble de quoi il s'agit. C'est parti avec Roketo Abdraman et Rekia Arimi si Loti. Loti. tani mani same hmm ifo haukan ne goma honku ni fonon go hinir o ifo no ne ba nin dai no abu mai yanno iro wodin kan ni gogaki ai gin bai ni sike da window wora ka dai din ma ai kwar so hawo kai ga bisini kwar ga hmm charo ai no nugu somo bine ko mu ka dai no gidi hannu ga babar kan ginga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai ni kwar bu to za zakan nika dai kaga taga ta baya ise ga ma kiro mata nagoda zama ai ma nu baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go kaga fa kara ise hunkuna alolo. to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ko har nun nin wote da he kiro ba gumni mo wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani. <laughs> zanga mate abin da aina matki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari yan wani tirara he ai gini bai gwargasin din mayo din kanga ba biniyai a gini ga te moni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ni ga cim subhanallahi mata na ga te gwargasin ai alborai mo goka da tontonda Hmm, ne lakkale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai gana gake bense matkan no ga tega no foyo chiro zabu to min hanga feri gama ai go gama se dinga bana foyo chiro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan san saragine sharbon mi nyuma halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai foyo mu bino haifa nimmo ai man ne ko gibo ku gidan arabu izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulga zabu din sin di sharbon mu so yan bai gazo watu man tubar kunno gwan dangibi din sin di dangibi yodi ni numdu nu de tari zakan na fifiri nima dumbu dumbu nima kitun foyora da zarga aga kiro din kulhan wallum du wai banana din kansi ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan na maka na foyote eto banan plantain wadin kan ne gici han kai igin waya dinga ya mantoy ma ka foyo rame wala ha ah, wadi ne nog bai fa din foyo dada ni foyo ran ni foyo te foyo ma wadi ne nog bai mu bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa gite, din da ni foyo ra kai ni fo nim kan kan bara kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro jara kul zabu irkoy bere da fundi ko ni ga hay kunno ni gama foyin da sukkar to ai sin da hina kulu ai gin wani yamar yan wasan budaino to wasu ko gin ne mo banandi hey kai gina wannan ni wani haye wo kulu bodin bini ya yadi ne. Hmm. iri wasa bai bon dai kan naga yanki watu kulu gurfai din bon dai no irga charno berai wadi yan kulbo so hankuna ni dini te murado ai no berai to gorgasin ai sabu wallahi aiki ni se dai foyo kiro zabo amma ni ni do hara ko kari gaidan aran grupo dira hey ir grupo kan ne gaitan tantai ko non kyar ku bayara ai sigin da ba ni gorgasin ni mo barsi bora ganan dingida sai ganan daida manga manga telefono bumbura zai koi foyin hantu ai go gudu wasi ki yambun boda ai gun gidi ba so hin yan fodum ni sambir sai ai go kwan yandu babu gwa ma fa kuna eh to masidirin yan fa yandu nya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma beaucoup les filles. Merci aux desk femmes du studio Kalango avec qui on apprend toujours à, et avec toujours le sourire. Passons à présent à la rubrique linguistique et il s'agit de la culture et ça sera avec Moussa Hassan. Aujourd'hui avec Moussa Hassan, nous allons voir l'explication du mot patriotisme. Effectivement, merci à vous de m'avoir donné la parole. Merci pour euh, cette faveur de parler du patriotisme. En effet, le patriotisme, comme l'a défini le dictionnaire Larousse, c'est l'attachement sentimental à sa patrie, se manifestant par la volonté de, la défendre et de la promouvoir. Un mm-hmm. En un mot, c'est aimer son pays, mm-hmm. promouvoir son pays et s'attacher à son pays. Donc, ça peut se définir comme toute attitude consistant à faire passer avant toute autre considération les intérêts de son pays. Mm-hmm. Dans dans toute chose que la personne fait, elle met en avant l'intérêt de son pays d'abord. Mais c'est différent de ce qu'on appelle euh, le chauvinisme qui est un sentiment de réunir Tout ce qui n'est pas lié à ton pays, tu le si ça n'a pas d'importance pour toi. Mhm. On peut aimer son pays et aimer autre chose, et aimer d'autres pays. Mhm. C'est aussi différent du civisme. Le civisme, c'est respecter aimer et, euh, disons, faire en sorte que les lois, tout ce qui est rattaché à ton pays, soit respecté. Tu les respectes et tu les fais respecter. Et c'est aussi différent du nationalisme. Ça aussi, c'est une autre façon d'aimer son pays, mais uniquement son pays. Donc euh, le patriotisme, c'est aimer et promouvoir son pays sans pour autant abandonner autre chose mm -hmm. qui est à côté ou bien qui peut être même euh, rattaché à ton pays. Mm -hmm. Donc, euh, pour revenir, euh, définir ça en zarma, okay. et euh, patriotisme, zarmishin ga gine la bizarre timante. La bizarre timante giti bormba ba ni labu, labu kan ni tabatan di nuwa ni do ngiti ni labu, mm-hmm. ni mabara. Hay kulkan nigiti, hay tere kulkan ranigiti, muradu kulkan ranigu, ni laabu hankanga ndafa ngunu den jini jina hal ni gufo ngunu bumbo bonga mm -hmm. aguwana imine borfongo na kan ngai laabu hinni hinni ni gaba laabu wani fo wala muradu wani fo kulu ngai wodo yamono woni o mantiyano ni ban laabu amma sige asigenji ni gin gaba hay fo yammo ko ni ni gin muradu fo den ni jine wala laabu yan kan gande laabu yan wa fo ko ngai wodo gonda darza aguwana mu

Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, euh, une dernière virée en musique avec le titre euh, Rookie de Baguet. ayuberukiat jadi karmola haley mde dinse matkan chini nyanduwe mde deite ayube giba ayruki seido babe bagi ba ayuba watin neine ruki donoka chalkam gungia huwe kenye asinde zanko alal kancino beri kambore hinibi ayubo kanginde rukido noka nyongei heke kali tabi keinei heke kali tabi nyandu ei mundo note allah kiba laminde tu kitaram no banaram ameke mabaze yuku anyandu weimino yuku chana weimu chendelo yuku chalkam nineruka yuwa nodinda gungiya tuwe jinde tekso bonde gungiya azante, azabura kiko talle ntalle ngande gandeiko koyri seni nyale koyre gommeri koyri bo saya larabe bindo halama koyi guriya larabe binde miiliyeydo dinga bombo siyadu witteru kutumbe bigaru miiliyeydo koyke to deɓeri tenado zebani gore kangara J'espère que ce titre vous a plu et qu'il vous a fait bouger. Alors, c'est le moment pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Amina Haruna wallahi ina sauraron shi abin gaskiya suna da kayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tunda gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci labarin nan na studio Kalangu wallahi suna kayatar da mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har idan nan ta mu ta samu nan ƙarin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine komi kuma fatan da nake musu ubangiji Allah kara musu hazaka kara musu ilimin ƙara ci gaba wani abu in akwai wata rijiyoyi ma da ke can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai muna ci godiya ku da tare da su ma Allah rufe asiri. Suwai ba Ali studio Kalangu muna sauraron labarurruka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su ƙara dai ƙarfin gwiwa akan aikin da suke yi. Sunana rikaye Abdulkadir. wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na namarici ya kamata a ce a yi shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke buɗewa. ni ne usman sama a nan tanut memba ne mu gaskiya masu jin studio karambu kuma gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku da sauransu sai dai mai fatan kawai allah kawar ta ku muna buƙatan kaman bangaren wurin yare na hausan nan shi muke so kaman a dan ƙara yawan shi saboda ba dukkan yaren da kuke samu muke ji ba eh, shi ne shawarar da muke bada a kai eh, allah wani ya saka alheri wangiji allah ya kara ingancin aikin naku. Ni ne Abdurrahman Abdu eh, dangane da shirye-shirye na Kalangu eh, to wallahi gaskiya muna jin daɗin shi sosai sirtu ma yanda su sensibilizan mutane suna shiga ƙauyuka suna tattambayin mutane bisa kan harka wani aihuwa wani espasamadi ne su. gaskiya muna jin daɗin abubuwan da suke Allah sa su ƙara su ƙara ƙarfin gwiwa. Assalamu alaikum ni ce malama Badariya Ibrahim. ina sauraron radio studio kalangu yana katar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa ga baki daya kuma yana wannan labaru da suke bada suna katar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka ji suna gyara al'amuran su Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Point final de cette émission, les Niger sur Kalangu. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Sinon, vous le savez, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Vous étiez en compagnie de Rakia Rimi et Samira Rouafi. L'édition a été assurée par Khadija Isaka et la technique par Seni Isaka. Très bon après-midi à tous. bye. bye.